bofi la ville de Dakar est la seule commune parmi les 550 et quelques du Sénégal qui fait réellement de l'économie sociale et solidaire. Nous avions souhaité, dans le programme qu'on avait présenté à Ziguinchor, j'avais inscrit l'économie sociale et solidaire pour que Ziguinchor soit la deuxième ville qui lance l'économie sociale et solidaire, mais qui veut faire mais qui veut faire beaucoup plus et beaucoup mieux que Dakar, j'y reviendrai. Mais pour respecter chronologie, journée je vais commencer par le commencement. Moi, en tant que maire de la ville, accorder sa satisfaction. ni ci service civique communal Amna ay mag yu leen di encadré waaye ñi porté liggéey bi dëgg les jeunes ou certains jeunes de Ziguinchor jeunes yooyu moo xam leen ni seen maire seen conseil municipal mais toute la population de Ziguinchor est très contente de vous wax ngeen ko seen liggéey yombalal ni mi ay problème tout le monde sait que nous sommes dans la région la plus pluvieuse ou l'une des plus pluvieuses du Sénégal Ziguinchor fait plus de 2000 euh, millimètres cubes ci année bi là où le reste du Sénégal suma ma sen le moyenne de dépasser 500 millimètres cubes te pourtant des fi inondation fi canal bu bloqué ndox mi et c'est grâce à cet engagement volontaire de ces jeunes. Je veux dire à Chor que ces jeunes ont fait économiser à la ville plus de 60 millions parce que chaque année, la commune de la joxe des marchés pour le curage des canibaux. Chaque année, la la les canibaux n'étaient pas correctement curés.

ana xalé goor ci Ziguinchor yi xam nga top ci nawetaan bi baax na lool aw ba ci problème top ci yeneen ak yeneen am na ci lool solo mais nag kenn ku nekk war na xalaat lan laa war a mën a defal sama commune c'est extrêmement important et donc tey am nañu lu mat deux à 250 volontaires. Oui, oh, gëm naa ni lancer activité C'est suñu objectif mooy woon atteindre 3000 volontaires de la ville de Ziguinchor may dellu lancer appel à cette jeunesse là defu le pour Ousmane Sonko defu ko pour le conseil municipal vous le faites pour vous-même pour votre cadre de vie pour votre ville parce que notre objectif c'est que suñuy une référence waxuma Sénégal waxuma Afrique citer Ziguinchor parmi les villes les mieux tenues du monde. deuxième point mais aborder toujours c'est dans la même veine parce que nous dégg nañ ni am nañu citoyens il faut nous poser la question pourquoi nit ak alal ni mu neexee pourquoi les gens se lèvent pour dire man li yëkkati naa ko mënoon na ma jëriñ mais je préfère donner pour me servir à la collectivité et il faut être un réflexe pour chacun et chacune d'entre nous moo gën toog rek naan pourquoi defaluñu ko waaw forum bu ñu ne monsieur le maire canal bi il faut nga wax mais est-ce qu'on se pose la question de savoir qu'est-ce que nous nous faisons pour que la mairie puisse faire le travail Je vous permettrai de remercier M. Sambambay, professeur d'université, professeur d'économie à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Il y a 10 ordinateurs portables du Bestat, un lot, 1500 pieds de cocotiers yoo et pépinières on est en train de les entretenir pour que nous menions des en bordure de route dans le cadre de l'embellissement de nos artères monsieur Samba a promis à la ville de Ziguinchor d'ici le mois de janvier entre 500 et 1000 foyers améliorés nga xam ne dina avons jigéen ñi ci togg bi dina tax ñu déforestation mais avec un impact qualitatif sur l'environnement. voilà un bénéfice de Ziguinchor que nous remercions au nom de toute la population monsieur Khoureychi Thiam wa basketteur international en tant que sénégalais te gëm li ñuy def te bëgg ñu réussir modèle bi ñu bëgg a def fii ba nga xam ne day doon en miniature loo xam ne moom lañuy projeté ci li ñu bëgg a def ci Sénégal moo tax mu yëkkati un lot d'équipement de matériel sportif defe naa projeté nañ ko léegi nga xam ne xaalis bu bëri lay jar lii mu may ko Casa Sport lii mu jox ñu ko pour ñu jox ko xale yi. waaye andi matériel bu pour radio municipal ay caméra yu drone de dernière génération ay micro donc monsieur Foreysi cham aussi un programme pour nous réhabiliter le terrain basket bi nek Pedro Gomez pour qu'il soit aux normes internationales ak parquet États-Unis lañ koy nous remercions donc monsieur Khoureychi au nom de tous les Ziguinchor ONG Future Vision des jeunes de Ziguinchor très engagés qui lépp lo pour nettoyer le bi dem nañ ba ut seeni tricycle mon financement de la coopération allemande les deux difficile au niveau du dépôt Nous avons un lot premier lot de 200 poubelles yu ndaw ak mille de pour dans les écoles parce que dañu les enfants depuis le bas âge nous initier aux questions environnementales

organisation collaboration santé internationale du Canada nous sommes ñu remercier parce que nous nañu la ville de Ziguinchor du matériel médical Nous nous fait bi ñu ñëwee fekk ko fi en cours nous woo suñuy nit yu Canada ay médecins mais leen ñun mënuñ cee dugg tant demu leen ngeen c'est une valeur minimum de 200 à 250 millions millions matériel médical va la ville de Ziguinchor tout ce qui vous demandait c'est de payer le transport et nous avons pris les toutes les dispositions pour payer le transport le matériel dans les tout prochains jours sera à Ziguinchor pour nous les postes de santé les centres de santé mais également même si ce n'est pas de notre compétence, Monsieur le Président du Conseil départemental, les hôpitaux comme l'hôpital régional et l'hôpital de la paix. Alors, qui donne présenter Wachnako Moi, j'ai donné en tant que citoyen, je n'ai pas donné en tant que maire. Et en tant que citoyen, Djorna, la commune de Ziguinchor, un lot de matériel médical, jox naa Ziguinchor parce que bi ñu ñëwee on s'est rendu compte que suñu service technique yi le service de la voirie soo les yónnee ne leen dem leen defaral ma liggéey tel ñu ne la monsieur Blair amuñu sax marteau bu ñu demee daaj amuñu si amuñu gant amuñu dàll amuñu amuñu amuñu y avait absolument rien au niveau du service technique communal ñu ne nag maire suñ et c'est pourquoi nous avons mis en contribution beaucoup de citoyens sénégalais d'ici la diaspora pour donner li ñu matériel bobu nga xamné une valeur de 6 millions de francs pour équiper totalement les services techniques parce que lima bëgg man dégg ngeen temps yële taw yu fort yu j'ai dit mon service technique je préfère dem tol, tool jëndi bois yóbbu service technique yi parce qu'on a un atelier menuiserie on a un atelier électricité on a un atelier mécanique Bala may dem fay ci biti ñu facturer ma lu cher am na liggéey yoo mairie bi war am les compétences techniques pour les faire et c'est pourquoi il est bon d'équiper les services techniques J'en aussi du matériel topographique parce qu'à chaque fois que je dis au service technique vous leen la situation topographique plan ils me disent monsieur le maire du matériel topographique une station totale pour pouvoir faire le travail il faut ñu dem ayons ak waa et c'est pourquoi on a cherché ce matériel qu'on va donner également à la mairie à titre gracieux. On a aussi des bacs à ordures a magie de contenance de 1000 litres on va les déployer dans les marchés et à la gare routière ça c'est ce qui fait partie des dons que nous mais à côté des dons on a mis à disposition du matériel dañ il met plus tard la mairie mais dans un premier temps on met à disposition quand on est arrivé ici amul benn une à ordure les bennes tasseuses là bu Ziguinchor bu fonctionnel buy daw ñaar lañ ci fait que les Espagnols la commune de Vic avait donné à la commune de Ziguinchor accident il n'est plus fonctionnel on dépense beaucoup un million pour réparer huit 000 pour réparer ça ne marche pas et il se trouve que la commune de Ziguinchor a am une convention avec l'UCG L'UCG va ramassé ramasser dans les quartiers et la commune doit ramasser les ordures ci Marseille, les cinq marchés et la gare routière mais soo amul un camion bu mun ramasser comment tu vas ramasser Nous, ne donc il faut du dioxyde. et c'est pourquoi j'ai mis à contribution beaucoup de Sénégalais Lélé Nitné, le maire il est souvent à Dakar je peux rassurer les Ziguinchorois et les parce que je suis à Dakar les may liggéeyal les moo ëpp fuuf su tout le matériel que vous voyez là vous savez que ça ça ne coûte pas un million ça ne coûte pas 10 millions ça coûte beaucoup d'argent Nous nous pour nous des à ordures parce que ma vocation voilà, li les mooy bëggatuma mbalit fanaan ci marché wala ci gare routière ici à Ziguinchor motax tax ñu commandé bac à vous avez vu lors de la semaine du citoyen lors de la semaine du citoyen bi ma demee fii marché Baneto bi ma demee fii marché Saint-Maur mais commerçants yi ñom ak sax yi ñeu avec une odeur bo xamné